Salam salaamaaleykum man la Jean euh, président fondation classe ànd fii ak sama ay collègues euh, pour démarrer ay cours euh, cours d'anglais Euh, nañu ay cours informatique. yoo on va faire ça dans une autre localité donc, Taïmangi avec Seydou. Seydou, c'est le président de la commission de formation et d'éducation. Et euh, on a aussi des membres de la commission de euh, communication IFINEC Taï. Donc, nous sommes pour euh, lancer cours anglais, pardon, euh, école Mansour Simalik. Donc, je pense l'anglais et l'informatique, pour moi, c'est devenu incontournable. Donc, par rapport à l'expérience que nous avons, à voyager partout dans le monde par rapport à euh, développement par rapport à nouveauté par rapport à innovation et téléphone langage donc on a trouvé nécessaire euh, d'impliquer les jeunes les jeunes de la Médina si si formation comme je le disais tout à l'heure on s'attend pas à ce qu'ils parlent anglais du jour au lendemain mais je pense que l'objectif c'est plus profond que ça parce que bëgg nañ créer benn déclic boo xam ne dina réveiller benn confiance en en en ces jeunes là parce que damay fàttaliku boo nekkee xale nga mën sa leçon di ñëw classe tu viens avec confiance da ngay sawar donc bu ñu mënee ba bu ñu mënee déclencher euh, envie boobu ak intérêt boobu ci xale yi ça va changer beaucoup de choses parce que routine bi ñu nekk boo bëggee progresser boo li sewee sama routine bu ma yeewoo suba ba 1 2 3 4 5 laay def je ma si yokkee anglais par force dina am loo xam dina changer si yow donc c'est important qu'on puisse euh, permettre à ces jeunes de pouvoir s'ouvrir à ce monde Pour xam des fois comme je le dis on a des complexes ñun pour parler français ou pour parler anglais bëgguñu def erreur bëgguñu juum donc loolu yëpp c'est des c'est des euh, c'est des choses que nous ne bëgg Nous xale yi décomplexé bëgg nañ ñu ñu xel bëgg ñu passer à une autre classe donc l'objectif, c'est de commencer, comme, comme on a dit, c'est de commencer et prendre des, des enseignements, c'est ligne euh, anglais, peut-être ligne anglais, euh, école, cursus normal, peut-être du Mais comme je l'ai dit, on, vise euh, l'excellence. Donc, sur toute l'année on va pouvoir avoir des modules yo xamné mën nañ ci parce que xolé on ko sax cours de vacances club anglais lañ ko ak club français donc ce qui veut dire qu'on va avoir des activités sur toute l'année mais ici on a juste voulu démarrer pour euh, créer intérêt beaucoup. donc cible c'est tout le monde quand je dis tout le monde c'est euh, tous les niveaux donc initiation euh, parfaire son anglais euh, peut-être le niveau bo xamné ça va être de l'anglais commercial parce que réalité biñ tournée, entrepreneuriat et tout donc euh, on cible tout le monde les travailleurs les non travailleurs les scolarisés les non scolarisés Qu'est-ce qu'on war nga jëriñu rek on te tend la main pour venir prendre ces cours gratuitement bien entendu on n'a pas sollicité les autorités donc la fondation classe a voulu démarrer euh, ses ces offres de cours d'anglais et d'informatique de nous-mêmes pour mën a xam suñu pour la accomplir donc bien entendu il euh, y a des domaines yoo xam ne euh, autorités communales yi ak autorités bien entendu on va les solliciter mais personnellement euh, j'ai briefé Monsieur le maire, Ahmadou par rapport à toutes ces initiatives qu'on est en train de faire. Il est il valide et il euh, cautionne donc euh, dina am ça fait partie de nos plans parce que si on fondation bi on va rassembler tout le monde on va pas diviser on va pas venir pour créer les lu parce que les plus donc l'intérêt c'est de pouvoir travailler tous ensemble comme tu l'as dit euh, mutualiser les forces pour avoir beaucoup plus d'impact être beaucoup plus euh, pertinent. Donc il y a Medina Academy par exemple, on a un module de développement personnel, on va travailler dessus avec, avec Medina Academy. Donc toutes les autres associations, moi je nous avons cours de vacances, des cours anglais, des cours français, des cours mathématiques. C'est une bonne initiative, c'est des choses à saluer parce que bien nit diko 20 nit on atteint beaucoup plus de beaucoup plus de cibles. Mais si si si ni ñu ça ça c'est prévu qu'on puisse classe AG constitutive on l'a fait en avril le 13 ou 12 avril donc ça fait peut-être 3 4 mois donc bi a assemblée générale bi nommé président bi ak un membre euh, classe la commission et tout euh, la première activité qu'on a eu à faire c'était lors de la veille de la Tabaski donc on a fait ce qu'on appelle du vide dressing euh, tabaski bi ngi ñëw am na ñoo xam seen loxo jotul ginnaaw am na ñoo xam ne taluñu sax lu ñuy sol si tabaski bi donc on a fait une collecte de tenues euh, on a collecté à peu près 300 tenues euh, yoo xam ne dañ ko redistribuer waat à travers les populations de la Médina te li ma gën a neex si loolu mooy dafa am double impact donc benn impact bi mooy ki nga xam ne dafa jël yéreem joxe ko donc am na benn conscience bu ñuy éveillé si moom esprit de solidarité esprit de partage ki nga xam ne jot na yére bi te xam ne ni benn frère am benn sœur bu nekk biir moo jox donc c'est quelque chose boo xam ne dama siy remercier encore une fois tous qui ont qui ont participé euh, Mon collègue yi nga xam ne tamit donc ça c'était la première activité deuxième activité bi mooy euh, cours yi cours anglais et ak cours français yi euh, cours informatique pardon donc cours informatique on va faire ça à birom Sassou matin et soir bien bien entendu ensuite on a d'autres programmes yoo xam ne bëgg nañ ko dérouler par rapport ak une commission euh, la commission environnement, la commission, commission sport, surtout vacances, je pense que c'est le moment de pouvoir euh, faire d'autres différences. Et euh, impact et la motivation comme je le disais tout à l'heure, changer la routine de ces jeunes-là. Parce que, bon, chaque jour, chaque jour, chaque jour, tu te dis que je veux être ici Mais bon, tu fais les mêmes choses matin et soir donc tu ne peux pas avoir des résultats différents donc nous, dañuy ñëw indi loo xam que day génnee booy si routine boobu yokk leen confiance comme nous l'avons koy Sank. permettre leen ñuy rêver c'est très important que ces jeunes-là puissent rêver et qu'ils puissent voir que c'est possible à travers ñun nous nekk ci commission et à travers ñun fondation qu'ils puissent rêver qu'ils puissent voir que c'est possible sinon bu ñu amul rêve ils vont toujours se réveiller dans le passé quand tu te réveilles dans le passé, tu veux toujours les choses que tu faisais hier, tu vas les faire demain et après-demain. Donc ñun suñu mission instant déclencher ce n'est pas seulement ni anglaise anglais wala jàng informatique mais c'est en tant que personne redonner la confiance à ces jeunes parce que comme je le disais ku confiance que tu peux accomplir des merveilles. on fait un appel parce que je pense que Medina, ñun kese moomuñu ko euh, ñu ñëpp ko donc le lu ñu fi def loo euh, c'est positif, ce sera pour la génération future, ce sera pour la Midna de demain. Donc l'appel, elle est lancée à tout le monde, elle est lancée à toutes les associations, elle concerne tout le monde. Elle est lancée à toutes les autorités, elle est lancée au premier magistrat de la commune, elle est lancée aux, ministres qui sont dans, cette commune, aux autorités. Nous, franchement, ils peuvent faire des différences. Parce que les mains toujours trois ressources qui permettent un impact nga def différence donc la première ressource c'est l'intelligence la deuxième ressource c'est le cœur xol bi nga am pour mën a def yenn yi la troisième ressource c'est la poche l'argent donc ñëpp am nañu xel ñëpp am nañu xol mais ñëpp mën nañu bañ a am xaalis boobu pour def ko mais je pense qu'on peut faire beaucoup plus de différence fii ak fii donc c'est pas nécessairement ñaata la ñuy teg ci table bi ak ñaata la ñuy mais nit ñi bu ñu indiwee seen xam-xam nit ñi booloo nekk benn nit ñuy def ci seen xol on peut faire de grosses différences. Donc, donc j'ai fait cette métaphore juste pour dire que c'est possible que tout le monde puisse le faire. Ce n'est pas que je n'ai pas des millions, je ne de différence. Mais l'iri du avec l'iri pour moi, c'est nit, un peu impact, 100 millions de fois. Donc je lance un appel à toutes les populations de la Médina, à toutes les autorités, à tout le monde, aux enfants, de les encourager encore. Engagement, c'est important. On a besoin d'eux pour faire la différence de demain. On ne veut pas être gouverné demain par des personnes qui ont ils sont incapables wala ils peuvent pas faire cette différence là donc c'est pour ça que nous insistons c'est le problème de tout le monde donc nous sommes ñëw jàpp aussi. ku que bien entendu il y a des cours de vacances il y a def si il y a def là mais man moom personnellement lu ma yëg loo je ne beneen association la damay ñëw jàpp si damay ñëw participer parce que l'intérêt général est ñu tax